Mesdames et messieurs, chers auditeurs du programme du studio Kalangou, bonjour. Il est 11h et c'est l'heure du Niger sur Kalangou. À la présentation, c'est Mariam Adé et Rabia Mekono. Comment tu vas, Rabi Je vais bien, Mariam, et toi Je vais bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui Rabi, on décolle pour une heure d'actualité et de divertissement. Dans notre rubrique invité du jour, ce matin, nous recevons Shamsia Abou Ubandawaki, jeune entrepreneur dans les cosmétiques depuis plus d'un an. Elle nous explique comment sortir du dans ce secteur qui attire de plus en plus d'adeptes. Et Mariam, en musique, nous allons rendre hommage à de grandes figures de la musique traditionnelle nigérienne. Les cantatrices du courant musical Zalei, qui a teinté l'univers de la musique Zarma Rai entre 1940 et 1965. Enfin, nous aurons la rubrique Loti du sport et de la culture linguistique. Un gros coucou à Kader Chambiano qui assure la technique ce matin et à Rahilatou Soumana, notre chef d'édition. Chers auditeurs et auditrices, nous ouvrons cette émission. avec les flashs d'informations présentés par Nafissa Tadamou Bonjour Nafissa. Bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour Arabi. Bonjour Nafissa. Quelles sont les nouvelles ce matin alors Mariam, euh, ce jour à 21 février, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Le thème retenu est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Notre pays dispose de 11 langues maternelles, c'est pourquoi les autorités sont à pied d'œuvre pour les introduire progressivement dans le système éducatif formel. Ensuite, une caravane de vulgarisation du texte du Conseil national de la jeunesse sera lancée ce jour à Niamey, une activité qui rentre dans le cadre du processus du renouvellement du bureau de la structure en fin de mandat depuis plusieurs années. Ainsi, à la fin de cette caravane va débuter la procédure d'abord à partir des communes pour remonter au département, puis aux régions et enfin au niveau national. Enfin, en région, depuis vendredi, la circulation des taxis tricycles est suspendue dans la ville de Difa sur instruction des autorités. Pour l'heure, les autorités régionales ne sont pas sorties pour donner les raisons de cette décision. Toutefois, le syndicat des conducteurs de ces engins se dit disposé à accompagner l'État pour toute question relative à la sécurité de la ville. Et c'est la fin de ce flash. Merci bien, Nefissa. On te retrouve tout à l'heure pour nous présenter l'aperçu des titres de la grande édition de ce soir tout à l'heure alors. Comme annoncé euh, à l'entame euh, de Niger sur Kalangu, l'entretien de ce matin sera consacré au business du cosmétique avec Shamsia Abou Ubandawaki qui a créé sa propre marque dénommée Glow Skin by Shamsia. Elle nous parle de comment se démarquer dans cette activité. Et eh oui, Rabi, mais avant, nous allons parler du courant musical Zalé caractérisé par une finesse de la voix et du violon traditionnel appelé gogué comme fond musical. Rabi, je vois ta question venir. L'expression Zale est un mot en zarma qui signifie en français cette démarche romantique de se mettre en couple. Découvrons ce style avec notre premier tour musical avec les titres "Cibo de Boule Kakasi, une des pionnières de ce courant musical. Kakassi est née en 1936 à Kakassi dans le département de Terra. Elle est considérée comme une chanteuse de transition entre les airs traditionnels dont elle a gardé les mélodies et la musique dite moderne. Elle a débuté sa carrière en 1963 avec la chanson Tolok et Kirgi Kirutu. Ewi la cantatrice voulait acquérir acquis la notoriété avec sa chanson Sibo qui dénonce les errements de la colonisation. Dans ce son, elle décrit des exploits de Sibo, cet homme qui a tenu tête aux colons et à ses fouets. D'autres sources affirment qu'elle est l'une des cantatrices préférées de la toute première dame du Niger, Feu Aïssa Djori, dont elle chantait les louanges. Elle serait pratiquement sa dame de compagnie. même, euh, cette chanson, c'est une dédicace aux mamies et aux papis qui nous suivent sur cette euh, émission. Nous avons clairement remonté le temps avec ce titre de la grande cantatrice Bouli Kakassi. Attaquons la première partie de notre entretien. Nous parlons cosmétique ce matin. Mais Rabi, avant de poursuivre cet entretien, écoutons une autre grande dame Comme annoncé dans cette édition, nous recevons ce matin Shamsia Abdou Ubandowaki de Glow Skin by Shamsia. Elle va nous expliquer comment se démarquer dans ce business qui fait tache d'huile en ce moment. Bonjour Shamsia, ça va Bonjour Ravi, ça va, Dieu merci. Tu vas bien Oui, ça va, Dieu merci. Ben, super, sois la bienvenue sur euh, cette émission. On est vraiment ravis et je me dis qu'après ton passage, on aura de plus jolis temps. C'est ça, Mariam Ah oui. <laughs> <laughs> merci beaucoup, vraiment. Bonjour Shamsia. Bonjour Maria. Alors, euh, votre spécialité, c'est les produits corporels. Oui, euh, je fais des produits corporels, à savoir des savons, des laits corps, des crèmes de visage, des huiles, tout ça pour le corps seulement. En fait, c'est des produits cosmétiques faits par nous-mêmes à la maison, c'est fait maison. Oui, on n'a pas une usine euh, fixe pour le moment. Oui. Alors, Shamsia, comment vous vous êtes retrouvée dans ce business Bon, tout d'abord, moi, je, déjà, j'ai envie de faire euh, le commerce. Je suis une femme qui aime l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai commencé à faire mes savons à la maison. Je faisais des savons mélange au début. Et après, comme j'ai vu que c'est une bonne initiative et je peux plusieurs fois percé là-dedans. Donc, je me suis mise à faire des formations de comment faire les produits moi-même. Donc, c'est le fait de prendre des matières premières et de les transformer en faisant des produits cosmétiques pour moi-même, de les emballer, mettre ma marque et de revendre. Je désolée de t'interrompre. Ça nous intéresse bien de comprendre. Quand tu dis mélange, savon mélange, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas Oui, quand on dit mélange, ça c'est le fait d'acheter des savons déjà faits des savons déjà dans les boutiques et tout, de venir les mélanger pour avoir un seul savon. C'est ça, quand on parle des mélanges, ça veut dire ça. Donc moi, je me suis dit que voilà, je peux faire des savons moi-même sans pour autant faire des savons mélanges. Donc je me suis mise dans la recherche. Je fais des recherches, je fais aussi des formations. Actuellement, j'ai des diplômes. Oui, j'ai appris à faire ça moi-même sans pour autant acheter ce qui est déjà fait et de venir transformer. Ok. Du coup, tu achètes toi-même tes propres matières premières. et tu fais toi-même les mélanges, oui, ça je fais moi-même, je fais tout. Je garde le dosage, je fais tout bien moi. Ok, ben tu fais de la vente en ligne, c'est ça, pour les femmes. Comment ça se passe Bon, j'ai des comptes sur Instagram, j'ai un compte euh, sur TikTok, j'ai un compte sur Facebook, j'ai aussi sur WhatsApp. Donc, du coup, je poste mes produits là-bas. Je poste les photos, les vidéos, euh, je décris chaque produit avec son nom, son prix, avec les composants, ce que ça devrait faire, le but du produit sur le corps. Après, je mets mon numéro, je mets mes adresses et tout. Et c'est par là que je trouve les clientèles et tout. Est-ce que ça se passe bien Tu en gagnes oui, veux dire, franchement, tu gagnes oui. environ euh, combien selon l'investissement Oui, bon, je peux vous dire, euh, on gagne bien, franchement. Surtout quand on fait des bonnes choses. Voilà, la meilleure clientèle, c'est de bouche à oreille. Une fille va utiliser nos produits, elle a aimé, obligatoirement, elle va en parler aux autres. Voilà, c'est comme ça qu'on fait notre commerce et ça marche très bien, alhamdulillah. Parce qu'on a pu faire beaucoup de choses à travers ça. quand bah, tu dis ça marche très bien, on aime, on aime bien entendre gagne, les sous. Ouais, hein. ça veut dire que les journalistes, tu sais, nous, on cherche vraiment à comprendre les sous, C'est en termes de. <laughs> on peut se retrouver. Par exemple, si on investit 200 000, on peut se retrouver avec combien tu peux ah, franchement, si ça marche bien, on peut se retrouver plus d'un million. Oui. Avec 200 000 oui. on va s'y mettre. <laughs> Mariam, ah. <laughs> reconversion en route. Ah oui. <laughs> Ah, Mais il faut investir trop les recherches. Le cerveau, il faut étudier ça hein, parce que ça a besoin de trop de choses. Parce que quand on dit peau, on peut pas pour ne pas aller faire quelque chose qui va brûler les gens ou bien quelque chose donc ça a beaucoup d'importance c'est un travail oui scientifique parce que surtout pour nous, c'est des produits déjà, c'est des acides que tu vas transformer. Mm. Alors tant que tu n'as pas étudié ça, tu n'as pas fait des recherches, tu ne peux pas. Tu vas au lieu que ça arrange, ça va gâter. Donc oui, c'est pas du hasard franchement. Ben justement, il y en a plein, plein des jeunes femmes qui se lancent dans ce business du cosmétique. Tu peux nous dire comment se démarquer vraiment, comment euh, faire autrement que tout le monde Vraiment, pour se démarquer, c'est le fait de faire les bonnes choses oui, on ne peut pas dire d'avoir obligatoirement d'avoir des feedbacks, tous tes feedbacks positifs, c'est impossible. Mais au moins sur les 100, les 90% devraient être positifs pour qu'on puisse gagner. Parce que c'est à travers ça qu'on peut se faire démarquer des autres et de faire quelque chose que les autres n'ont pas. C'est la seule différence entre nos produits et les autres produits. Que nous, ce c'est pas le mélange on fait ça nous-mêmes. C'est à cause de ça, des fois, quand on fait nos productions, on essaie de prendre des vidéos, des certaines parties pour montrer que voilà, c'est pas des vrais mélanges, mais en fait, c'est nous, on les fait. Rabi, avant de poursuivre cet entretien, écoutons une autre grande dame d'Isalé, la cantatrice Webi Karma, avec son titre Alibio. Webi Karma est née en 1931 à Kutikale, Tilaberi. Elle doit sa célébrité à sa chanson Jambajo, jeune mariée, qui a la particularité d'être un des rares chansons nuptiaux dont le destinataire est un homme. Webi Karma évolue avec la Samaria. Bien que très populaire, elle n'a pas déclaré ses œuvres au BNDA, Bureau nigérien du droit d'auteur, ce qui pourrait confirmer la thèse selon laquelle Webi Karma n'aurait pas composé de chansons, mais n'a fait qu'interpréter les autres et les chansons populaires. America. Revenons à notre invité du jour. Alors, Shamsia, la grosse tendance de ces moments, ce sont les produits éclaircissants. Vous en faites aussi pour le moment, je ne fais pas des produits hyper dosés éclaircissants parce que je vois la majorité des filles maintenant ont compris. Elles veulent pas les produits qui vont leur faire éclaircir. Maintenant, la tendance, c'est que la personne aille son temps avoir un joli teint, voilà, un teint qui, qui rayonne bien, sans détache sans boutons, rien. Voilà, en tout cas, pour le moment, je me suis focalisée sur ça éclatant, clarifiant. Oui, c'est ça. Je fais pas des produits voilà hyper dosés, éclaircissants. Mais il y a des fois, il y a des clientes qui te disent voilà obligatoirement moi il me faut ce produit. Donc je les fais par commande comme ça, mais je fais pas ça trop. Et même si je le fais, je le fais, je le fais par dosage que j'ai étudié. Je ne dépasse pas le dosage, franchement. Notre dernière question dans cet entretien, on aimerait bien comprendre et savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce business. Euh, la première des choses, quand on dit difficulté, on dit le lien entre nos clients et nous. Par exemple, quand un client veut faire un achat, il veut payer des produits corps, il va te dire, voilà, il faut que tu lui donnes un délai. Par exemple, si la personne a des tâches, elle va te dire de lui donner un délai pour lequel les tâches vont disparaître. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi Parce que ça dépend de ta peau, ça dépend de la teneur de tes taches, ça dépend de la teneur de tes boutons et ça dépend aussi de ton mode d'utilisation du produit. Donc vraiment, j'ai le problème là avec les clientes. C'est ça, pas, elles n'arrivent pas à comprendre que moi, mes produits et les autres produits, c'est pas la même chose. Donc moi, je ne peux pas te dire, voilà, une crème de visage visibilité deux semaines. comme on voit sur les boîtes là. Oui, au non, non, moi je fais pas. Euh, il y a des clients oui, il y a des clientes qui n'achèteront même pas. Mhm. Quand tu donnes pas de délai, voilà, elles vont pas acheter. Et moi, je préfère ne pas te vendre que de te vendre en mentant. Parce que je veux dire que oui, c'est en mentant. Par exemple, tu dis à la personne deux semaines et la personne pas utilisée. En deux semaines, c'est pas parti, tu as menti. Donc, moi, je préfère ne pas vendre. Il y a des clientes, quand vont m'écouter, elles savent bien à cause de ça. Euh, elles n'ont pas payé mes produits. Il y a des fois même je dis je vends même pas. Et Et c'est pas parce que je suis aigrie ou quelque chose. Non, j'aimerais juste garder une bonne image pour moi-même et mes produits. C'est tout. c'est important de garder une bonne image. Ben, on va te dire euh, merci Shamsia de, de nous accorder ton temps précieux pour nous expliquer ton business, l'univers du, du, cosmétique dans lequel tu évolues. On te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et euh, voilà, <laughs> que tout se passe bien. Et euh, on souhaite de, jolis teints. Merci <laughs> beaucoup, Inch'Allah. dans nos collaborations futures. Il a pas Merci. merci. bien. autre aspect de cette émission, dans notre rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlons santé, plus précisément du choléra. Le choléra, une maladie contagieuse et mortelle extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Rabi au Niger sont cinq cas dont deux décès ont été arrestés dans les régions de Maradi et Zander en août dernier. Alors comment se manifeste les choléra et surtout comment les prévenir Écoutons l'explication du médecin généraliste Abdelrachid Issaka au micro de Habib Ahmed. Docteur, qu'est-ce que le choléra et comment se manifeste-t-il Le choléra est une toxi-infection intestinale, donc une maladie que l'on contracte par l'ingestion d'aliments souillés. C'est une maladie strictement humaine, donc elle est hautement contagieuse. Elle est due à des bactéries qu'on appelle vibrions cholériques. Cette maladie se transmet selon deux modes. Tout d'abord, il y a le mode direct, qui se fait par l'intermédiaire de contacts, euh, les linges souillés, les mains souillées, ou bien les cadavres de personnes décédées de suite euh, du choléra, ou bien à travers les contacts avec les porteurs sains de la maladie. De l'autre côté, nous avons le mode indirect de contamination, et qui se fait par l'ingestion d'eau, d'aliments, de fruits ou légumes contaminés par les selles ou les vomissements des personnes atteintes du choléra. Quelle est la durée de l'incubation et quelles en sont les manifestations Après le premier contact avec le vibrion cholérique qui est à l'origine du choléra. Donc il y a un délai de 6 à 24 heures avant que les premiers signes n'apparaissent. C'est ça le temps d'incubation du choléra. Il faut noter que cette incubation elle est toujours inférieure à 5 jours. Donc après cette phase d'incubation, nous avons ce qu'on appelle la phase de début. Et cette phase elle est toujours brutale. Elle est caractérisée par l'apparition de selles aqueuses, des selles quasiment liquides. Ces selles sont incolores, elles sont risiformes, donc euh, elles contiennent des grumeaux. Donc euh, l'odeur de ces selles est une odeur afécale. Donc c'est une une odeur qui n'est pas celle des sels classiques. Ces sels viennent de manière impérieuse en jet, puis elles coulent à travers le, sphincter qui est relâché du patient. À force d'avoir les sels qui viennent en jet, les sphincters anneaux finissent par euh, devenir lâches. À part les sels aqueuses, nous avons les vomissements qui viennent aussi en jet, ils sont incoercibles. Ils viennent sans effort. Donc il y a aussi l'asthénie, et il y a aussi une soif intense, des crampes douloureuses. Le patient devient émacié. Nous avons une hypothermie, une baisse de la la température. Parfois, on peut constater une, légère anémie euh, sur la numération. Sans prise en charge, le patient peut décéder dans les 48 à 72 heures. Comment se fait le traitement de cette maladie sans traitement, le décès intervient, comme nous l'avons dit tantôt, dans les 24-48 heures et dans un tableau de collapsus cardiovasculaire. Maintenant, avec une bonne réhydratation associée à une bonne antibiothérapie, le patient récupère sans séquelles. Tout d'abord, le traitement repose sur la réhydratation. Chez les, patients euh, avec euh, un cas modéré, donc euh, il y a le SRO qui est utilisé, et la solution de réhydratation orale, à, raison de 115 ml par kilogramme. Maintenant, les cas sévères, c'est une réhydratation par voie parentérale avec l'utilisation euh, utilisation des solutés. On utilise le soluté adapté au terrain du patient. Donc euh, il y a une antibiothérapie dans les deux cas. Donc c'est l'antibiothérapie se fait à base de doxycycline. Il y a aussi d'autres antibiotiques qui sont utilisés selon le patient. Donc par exemple si vous prenez chez la femme enceinte, donc c'est l'azithromycine qui est préconisée. Il faut aussi noter qu'il y a un vaccin qui existe pour le choléra. Quelles sont les mesures à prendre en cas d'apparition du choléra un patient qui est atteint du choléra ou bien une région dans laquelle des cas de choléra ont été déclarés. Tout d'abord, il y a le bouclage strict des zones atteintes. Donc s'il y a un village qui est atteint, donc ce village doit se retrouver bouclé par rapport aux zones saines. En cas de décès, les enterrements doivent être surveillés. Les rituels habituels qui sont faits lors de l'enterrement doivent être euh, vraiment contrôlés. Euh, sinon, on risque de contaminer les membres de la famille qui auront procédé à l'enterrement. Et donc, il y a aussi la sensibilisation euh, des patients même lors de l'isolement pour les préparer à leur sortie. Comment l'environnement euh, Les mesures au niveau de l'environnement, donc d'abord il y a la construction des latrines modernes, euh, donc euh, il y a aussi le fait de préconiser aux populations de boire de l'eau potable, donc la création d'usines de récupération des eaux usées, mettre un accent sur le lavage strict des fruits et légumes avant leur consommation. Donc le problème du choléra est prolifère dans les zones où la promiscuité est vraiment importante. C'est vraiment un problème de santé publique. Merci bien Habiba Ahmed. À présent, poursuivons avec un troisième tour en musique avec cette version originale d'une chanson super connue, Mariatu de Deloise. Aïssa Taïrou, plus connue sous le nom d'artiste de figure parmi les cantatrices les plus connues. 9 vers 1938, à Dalwe Wallam, l'artiste a laissé un répertoire riche et varié, durant plus de 50 ans au renouement de la culture nigérienne en général et particulièrement celle de la chanson féminine. Elle nous quitte en mai 2011 et c'est en reconnaissance de son talent et mérite que le ministère en charge de la culture a voulu immortaliser la mémoire de Dalwese en instituant en décembre 2008, le festival de la chanson féminine de Tilaberi, dénommé Festival d'Elwaizi. Mais Rabi, bien avant son nom, a franchi les frontières du Niger grâce à sa célèbre chanson Marietou, arrangée et produite sous les mêmes titres par les maestro Bonkana Mega. Restons toujours à Tilaberi pour notre réplique à sujet régional. Oui, Mariam Tilaberi où après les études, ils sont nombreux les jeunes qui se retrouvent sans emploi. Pour rester dans la course et ne pas rater les opportunités, l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi délivre une carte aux demandeurs d'emploi d'une validité de 5 ans. Les détails dans ce reportage de Abdelaziz Hassoumi. Au Niger, la carte de demandeur d'emploi est délivrée par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, ANPE. Selon Abdoujibou Moussa, le responsable de l'antenne régionale de Tilaberi, la carte est délivrée gratuitement. Néanmoins, il précise qu'elle est obligatoire. Aucun employeur ne peut recruter des travailleurs qui ne seraient pas munis de leur carte d'inscription délivrée par le service public de l'emploi. Il est est strictement interdit de recruter quelqu'un qui n'a pas fait son inscription au niveau du service public de l'emploi qui est là. NPE. il faut comprendre que la carte est imprimée sur fonds propres de la NPE, mais délivrée gratuitement aux demandeurs d'emploi, ce qui peut ne pas être le cas dans les cabinets privés de placement. Il se peut que ça soit payant dans les cabinets parce que c'est des structures autonomes. Abdelrachid Moussi, à la recherche d'un emploi. Lui s'est déjà inscrit à l'ANPE. Cependant, il souligne les quelques contraintes rencontrées. Les difficultés eh, auxquelles on est confronté des fois quand on part, on retrouve l'agence fermée ou bien des fois quand on part, on dit bon c'est l'heure ou que le signataire n'est pas là. Voilà un peu les différentes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Sinon, c'est vraiment une carte qui, quand on part et qu'on la trouve, l'avoir c'est vraiment très facile. La procédure n'est pas longue. C'est une procédure qui ne prend pas plus de cinq minutes. Pour rappel, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et les cabinets de placement sont les seuls habilités à délivrer la carte de demandeur d'emploi selon le responsable de l'ANPE. Mariam, la technique nous signale que nous avons Hassoumi au bout du fil. Bonjour Hassoumi. Oui, bonjour euh, Mariam, bonjour Maïkano. Bonjour. Alors, Hasmi, en dehors du problème de la carte de l'ANPE, tu as relevé d'autres inquiétudes des jeunes justement sur cette question d'accès à l'emploi oui, euh, la question de l'accès à l'emploi euh, est un problème majeur, notamment pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, non seulement euh, ils commencent à rencontrer des difficultés dès au niveau de la constitution des documents. Et là, ils disent qu'ils n'ont pas accès à certains services et d'ailleurs, ce qui a fait que je me suis intéressé à ce sujet et que euh, partout, j'entends les jeunes parler de la euh, carte euh, d'inscription d'inscription. Certains disent que c'est payant, certains disent que ce n'est pas payant parce que pratiquement dans tous les services aujourd'hui, quand les jeunes vont pour chercher un document, on leur demande de donner de l'argent. Et ce qui fait qu'ils étaient un peu réticents quant à la carte d'inscription parce qu'ils pensent que c'est payant. Et maintenant, moi, je me suis intéressé de près à, cette carte d'inscription parce que sans ça, euh, aucun employeur ne peut euh, recruter quelqu'un. Donc, je me suis fait l'idée d'aller rencontrer le, responsable de la NPE. Et heureusement, ce jour, quand j'étais parti, je trouvais plus de 10 euh, mm. jeunes en fil Donc, je me suis mis derrière eux. Et j'ai suivi tout le processus. Et les 10 jeunes-là ont eu leur carte à moins de 10 minutes. À moins de 10 minutes. Et le système est entièrement informatisé. Donc après, euh, arrivé à mon niveau, le directeur m'a demandé ce que je veux. En réalité, je lui ai dit, bon, écoute, euh, certains disent que la carte euh, d'inscription au niveau de la NPE est payante, donc euh, je veux m'entretenir avec vous. Il a dit également, il a entendu parler de ça, et c'est là qu'il m'a expliqué qu'elle est gratuite. D'ailleurs, elle est imprimée sur fonds propres de l'ANPE et elle est délivrée gratuitement. À l'exception des cabinets déplacés, là, ça peut parfois être payant et ça peut parfois ne pas être payant parce que euh, souvent, quand les cabinets déplacés sont en manque, euh, euh, l'ANPE leur donne quelques-unes en attendant qu'ils arrivent à confectionner pour eux. Et voilà un peu le mhm. problème. Et le deuxième oui, mais Hassoumi, hmm, justement, est-ce que l'ANPE propose un autre type d'accompagnement aux jeunes et comment ça se passe Bien sûr, l'ANPE va chercher de l'argent au niveau eh, des partenaires pour eh, placer eh, certains jeunes diplômés qui n'ont pas encore de travail dans les différents centres de formation. Mais malheureusement, là aussi, il y a des difficultés parce que à la fin euh, de leur formation, euh, l'ANPE met les matériels nécessaires à leur, disposition pour qu'ils soient autonomes. Mais malheureusement, il y a certaines jeunes, euh, excusez-moi, sans ambition qui vendent ces matériels pour des futilités. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, parce qu'avant, il n'y a, pas de suivi. Mais maintenant, il y a des agents que à un peu amis qui, font, qui suivent et évaluent euh, ces jeunes-là placés dans les centres de formation. Ok, merci bien Hassoumi. On se dit à très bientôt. Allez, merci. Bye bye. Bye bye. Ben, voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Soumana Amadou vient juste de nous rejoindre. Il est temps de passer à notre rubrique sport. Bonjour Soumana. Bonjour Rabi et Mariam. Ça va ce matin Ça va bien. Bah, ben, Soumana, aujourd'hui nous parlons football avec les équipes de quartier de la ville de Niamey. Alors explique-nous de quoi s'agit-il Eh bien Rabi, ce sont des jeunes d'un quartier passionnés du football qui se constituent en équipe et sollicitent auprès d'un joueur de foot disponible pour leur encadrement dans un quartier, l'on trouve euh, plusieurs équipes constituées de jeunes de moins de 13 ans, 15 ans, 17 ans. Ces équipes euh, s'entraînent et s'affrontent chaque soir et les week-ends ou les jours fériés sur des terrains neutres. Pour euh, plus de détails, je vous propose d'écouter Youssouf, c'est le coach des deux équipes FC Tampon de moins de 15 ans et FC Malaga de moins de 13 ans du quartier Koubia à Niamey. Souvent, si on a besoin d'aide, on va dans les quartiers, on voit les gens, ils vont nous aider à faire les trucs pour qu'on puisse gérer, pour financer l'équipe. Les bas les maillots, c'est nous-mêmes qui font les enfants, ils vont amener les 100 francs, 100 francs, 200, 200. Si ça ne suffit pas, le coach augmente et on part pour acheter les trucs. Vraiment, on est en train de dans la si ça peut avancer, un jour là, quelqu'un qui voit notre bas, commencer à là, un jour là, ça viendra. La fête, bon, nous, comme on n'a pas un grand personne derrière nous pour qu'il va nous aider, pour qu'on va lancer les trucs. C'est pour cela. En tout cas, on sera en train d'entraîner comme ça. Alors, Soumana, que fait la Fédération nigérienne de football pour, pour appuyer ses équipes de quartier à ce sujet, voici les explications de Lawali Garba. Il est membre de la commission des compétitions de la FENIFOOT. S'agissant des équipes de quartier, l'implication de la Fédération nigérienne de football se fait à travers les associations régionales, communément appelées les ligues. Donc c'est au niveau des ligues régionales que les entraîneurs des jeunes avec la ligue organisent des championnats pour ces catégories. Il y a aussi des structures qui font les tournois de grandes vacances à l'intention des différents quartiers. La fédération ne peut que aider les clubs qui sont affiliés à elle. Quoi. Donc euh, ça, mhm. relève des ligues et des associations régionales. Voilà, selon le coach Youssouf, toujours, il dit qu'ils n'ont pas l'intention de baisser les bras, mais ils vont continuer à s'entraîner avec les moyens de bord pour avoir des footballeurs professionnels. Ben, bonne chance à eux. Hein. Merci Soumana. Merci à vous. Merci bien Soumana. Juste après, place au portrait de cette édition. Découvrons Salamat Moumine, une élève en classe de 3e au collège d'enseignement secondaire de Balayara dans la région de Tilaberi. Âgée de 18 ans, Salamatou fait du maquillage communément appelé make-up aux jeunes femmes à l'occasion de cérémonies de réjouissance et gagne quelques sous pour subvenir à ses besoins. Zainabou Abdou est allé à sa rencontre, on l'écoute. wani ga hindi kirsi ifu kan kam kan nugo ce ba kanu e kwalizan goyo kai goti kam go makeup na yoy gote ne ga hindi kirsi ifu chi makeup makeup giti sole yan dangin makiyaj wai hiji sole yan wala satarai duk wanda ya kayan ga sole te koi bucai don. to ni hingi kirse wai hiji wada ka ga makeup hoti marginu wani ga te ayo dai wai hiji zambar hinzu na gite wai hiji se satara zambar hinka wanda ya cin mu zongu iddu me ko po kan go gati borai no ga kani do wala iga baidai no imin ke mine da wai hi ya gote igni shigin num kati wai gosa wala funi ka gin ga. a fu yan no yanno ga gar don za tina kan borai man bai gawo dina ke aino kwaiti amma son kan borbo ba hino a ga hingite bori hin wal bori hin kim rendezvous san bucar bande to dol kal im yan a sai no son to ni ga hinkir me ko po mangano na do to makeup de ay sintinga te balai yara ay te ya cine borengon kan dig dondon ingay mondu ma gano iga dondon kalim wana to ai wai mana dondon ai mon ma ga halkan kun mai singa tai bonse to mutaki non ce ga dondon boriyan daino ya ci ne ai kai ne yan ai gine mm. kai mitise wani mun kurara zan kai gibe bayan ne bora sam kai mamaki kala ai tanti fogon kan gonya mai kan sigi ne hayat ingunu akwai lome a aka ai mo ai koya do te vacance ai dondona do kan ai dondona do kan ai gisan bugumo ingum no akonda ai lome ai dondon ai koy te deux semaines formation ai yika ai di kan no élève no ni yega me kok dondon il faut no ni dangara sai sai dai na yi dena ba kan aiwo 11 no aiki aigi hingitte aikan bugoi hino zamano ra barska di chawango hinni barkul go ceci hankan agin kam gote bar min kam bugo ceci kam bor gite ra kan kam manto bor mu koi tarayyan ai gora ai duna fubo bayan zama haifoyan gon kan amanto ba ai mu borfo randi ai mu boban sai dai kan dai noro dai na gisi mamudo sat kan cinai tun ai gihin guduwa ifo di funun da yara ma su tigde fu gina yan gisi ai dai gina ken ken yan gisi ai gun wargu cen funu ni tunan da irin ya zuwa bore kan yan gogo ga aran kin furtage kan yan gogo woro isiga kan bugoi don cen funu tunan dido imun tun kai gicheci di gicheci mu amanto cheche bor mo fete tarai gi ceci bor go bor windo ra bumbo da bor gin fata ucote zamson izuwa borai zu dago ceci ba imne bora hijino ngware ngware bob kan bora te alborse ak zabu aga bora gumu Mariam, le make-up, tu en as déjà fait Ouais, à des occasions très très spéciales. Ben ok. On remercie Zainab Abdou pour euh, son portrait. Dernière pause musicale avec ce son qui est une grosse dédicace du Niger sur Kalangu à toutes les jeunes mariées qui nous suivent sur cette émission et même au futur. C'est le du Hagayale. Cette chanson est vraiment chargée de messages pour aider les jeunes femmes dans la gestion de leur foyer. Rabi, Mena, passons à la rubrique des femmes du studio Kalangu, qui met aujourd'hui l'accent sur l'utilisation du henné traditionnel. Le henné a toujours fait partie de la routine beauté des femmes nigériennes, qu'il soit utilisé pour la coloration des cheveux, cependant les tatouages que nous appelons tchadiens prendre de l'ampleur au détriment du henné traditionnel. Quelles sont les vertus du henné traditionnel Rakia Arimi et Samira Rouafi nous en disent plus. Hey kwalliya da tsafta ka salma dan Allah duba hannuwana yadda na yi kyau na sha lalle. Ke munira me kike faɗi wai hannuwanki gani? da ke masha Allah kuma zanen sun yi kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti goma sha biyar aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf tsaf da ke an miki lallen ki. Hmm, Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. haba keko wani irin abubuwa salma ban da ɓata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan mm -mm, ni da lallan gargajiya har abada ba iyawa a banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu 'yan kasar Nijar. ke tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai ba ni labari in ji abubuwan da a ciki akwai abubuwa da yawa fannin gyaran jiki lallan al'ada yana gyara farcuna ma in ki ba su da ƙarfi kuma suna da munin gani kar ki da hankalinki ki dama ki. da vinegar dan kaɗan ki bar shi minti biyar sannan ki sa wa ƙafafuwanki da hannuwanki kar ki manta ki kuma hallau kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yaƙar mummunan warin jiki cututtukan matancin mace da da cututtukan zafin kafa. Kawai kina faɗin haka ne don ke gan yatsuna sun ɗan kakkarye ko? a a a saya munira ban kare ba in gashin kanki ya zama mara nauyi kuma bai yi kama da komi ba kuma kina son samun mai kyau sosai kuma ki karfafa fitin gashin naki kawai ki haɗa shi. In haɗa me? Ki haɗa garin lallanki da ɗan ruwa kaɗan sai ki shahawa gashin kanki ki bar shi minti ashirin sai ki wanke za ki ga kalar ta sake zai kuma ɗau watanni bai sake ba. Lallan ne kike waɗin yake yin duk wannan abubuwa. To abin mamaki ma bai ƙare ba. To ga kunnuwa na ina saurari. Hmm. A cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke. Ya Allah za ki haskaka. A me? Ƙwarai kuwa kina samun haske mai tsafta mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su ji. dakata dakata bai kare ba to wai shin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba kwarai kuwa mu tsaya ma ki ji lalle yana da sirrin aiki waraka waraka kuma kwarai kuwa inda gai zaka ji komi a duniyan nan ni na gaya miki wannan a gaskiya ni ban yarda ba fa kawai yanzu doka ta kike wata makshiya hankali haba dai ko kaɗan yar uwa garin lalle yana da tasiri sosai akan onewa kumburi da kumburin ciki idan kuma kina da ciwon kai shaki kamshin turaren furannin lalle sai faf ciwon kai ya tahi ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba menene idanu da kike zago mini fa haba bai in kalle ki mana ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallen gargajiya a ah, na manta lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki saburo ma ba ya zau inda kike ba a'a yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle ban da haka kuma ba shi da matsa da kin san mi salma ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kudaden da na kashe wurin zuwa wannan kumshin cadiyan in ni na kai ki a kin san da duka wannan abubuwan baki gaya mini su ba sai yanzu ba damuwa amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki zaki bani ninkin biyu abin da zan baki. Ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema daga nan zan je wurin lallan nan. Ya baki kilan mota hala. Eh mana. To kaji sha yanzu magani yanzu ke A ai babu bata lokaci cikin wa'annan yanayi. To a <laughs> Na gode kwarai Salma. Ki kasance da kyau a sakaukar hanya wannan sai lallan Mariam, elles sont spéciales, hein, ces bonnes dames de l'équipe femme du studio Kalangu. Ben, merci à vous les filles. Passons à notre rubrique culture linguistique qui aujourd'hui nous en dit davantage sur le mot henné en français et en haussa. Et ça sera avec Gungu Dantani. Bonjour Den... Bonjour Mariam, merci. Le henné, effectivement, est une plante d'origine d'Inde et d'Arabie elle est cultivée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont les feuilles permettent de fabriquer une teinture. Le henné a de multiples vertus et c'est le fidèle <laughs> compagnon, bien sûr, des femmes depuis la nuit des temps, ah pour mieux assumer exprimer sa féminité. Il est très brisé par les femmes en Afrique de l'Ouest, d'abord pour leur euh, coquetterie et ensuite pour les cérémonies de réjouissance euh, comme les mariages et baptêmes. Les feuilles de cet arbuste euh, permettent de fabriquer une teinture rouge ou noire pour colorer et fortifier les cheveux. Aujourd'hui, on trouve euh, une diversité de henné sur le marché, qui se proposent d'ailleurs différemment selon les goûts de la personne. Il y a celles qui préfèrent les tatouages floraux et d'autres optent pour les figures euh, symétriques. En plus de son côté esthétique, plusieurs sources médicales et islamiques octroie de nombreux bienfaits aux aînés, notamment thérapeutiques. Alors les filles, j'espère que vous allez vous y mettre. Ah oui, <laughs> ça c'est clair. Bien, si vous permettez, je vais traduire euh, euh, ce mot, l'alle, donc en Hausa. Lalle ita ce ya er asalin kasar India da kasar saoudia, wacce ake nomawa a yankin gabasci da yankin afrika ta Arewa wacce da ganyanta ake launin rini da shi lalle na da nagarta mai ban mamaki da dama kuma ɗan uwar rikiyar <laughs> mata ne tun can da ga ɗaukakar su a zo a gani ta mata mata na sha'awar amfani da shi sosai a afirka ta yamma da farko saboda yin abin ban sha'awa na takamaimai ko kuma a wajen sabgogi na aure ko suna ganyen wannan itaciyar na ba da damar sarrafa launin rini ja ko baki ga gashin kai yau lalle ya zama kashi da kashi cikin kasuwa mai nau'i daban-daban kan buƙatar da mutum ke so wasu sun yi son a masu adon hure ga hannu ko ga ƙafa wasu kuma sun yi son a masu zane banda fuskar kwalliyar tasa majoyin kimiyyar kiwon lafiya da kuma na addini sun nuna kyaukyawan tasiri da ke ga lalle musamman ma wajen magani to yan mata gare ku ina fatan za ku sa karkata a kai Mongo, Gungu Mungode. Franchement, ça donne envie hein, de s'orner les mains avec euh, le aîné, avec toutes ces informations. Ben, Mariam, des auditeurs dans tout le pays et même hors de nos frontières écoutent nos programmes sur les ondes des médias partenaires sur le site internet www.studiocalingou.org et sur les réseaux sociaux. On les écoute. suna na mun aminu dan ladi da ke nan garin ciro auditor ne mai shaurara studio kalangu game da tashar radio zuru. gaskiya ina jinjina musu dangance da irin kokarin da suke bada zuwa kalangu cikin nijar alhamdulillah tabarakallah yanzu kowace radio ta kama jikin yana da auditor mihi yawanci wanda ake shauraran sa gaskiya studio kalangu a yadda muka dauke da tabarakallah akwai labaru tsantsanta na cikin gida masu kayatarwa kuma gaban na a yadda muke so studio kalangu ta ba da himma tana da oditar sosai wanda suna shauraranta ni ina son shirye-shirye studio kalangu ballantana ma ran weekend in ji labarin matasa in ba studio kalangu ba wa ake yin labarin matasa duk wani matashi na niger in kana sauraron studio kalangu ka ji labarin shi gaskiya ne ina mamakin mutane wanda ba su sauraron labarin studio kalangu a cikin wanga lokaci labari ne masu mahimmanci ya kamata a rika sauraron su Abdurrahman na Almumun zamani ne nan garin Ciro. Auditor ne ina sauraron Studio Kalangu. Ayi na bisa kan shirye-shirye Studio Kalangu. Shirin su yana kayatar da mu. Dalilin Studio Kalangu muke ganewa menene ke faruwa duka cikin mu Da radiyon mu communautaire ce. Bata wuce abin da ya shahi nan cikin gunduman mu da dalilin Studio Kalangu. Wani labari ba sai mun tayi nesa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Ibrahim Yahaya fada 2020 Premier Kasis nan nan Buza. lalle muna matakar horin ciki da wannan dokalangu muna sauraren sosai gaskiya shirye-shiryen da suke yi gaskiya suna katar da mu sosai shirin kiwon lahiya wannan wanda ake yi shi ma gaskiya yana katar da mu sosai da kuma wannan da ake shiga daji ana kwatanta ma mutane ana waye musu kai bisa wasu ta hakan ga gaskiya shirye-shiryen nan suna burge mu sosai muna so gaskiya a dan kara mana dan lokaci bisa wannan shirye-shiryen da ake mana gaskiya suna katar da mu sosai gaskiya nan nan buza kowane lokaci muna bayar ku so da kawa da wannan shirye-shiryen da ake na muhawara nan duk muna sauraron su gaskiya suna katar da mu eh gaskiya abun ana saurara gaskiya hisu billahi eh dan haka muke so gaskiya a dan kara mana dan lokaci dan shi ma mutane don su zan fahimta wasu abubuwa sosai eh gaskiya mun gode eh ina gaida mai gidanmu sanusi eh akwai kuma mai gidanmu bajo duka dai hisbillahi nan buza alhamdulillah ina gaida kuma abokina ilo mai wanki da ke nan buza Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs du Niger sur Kalangu, n'hésitez pas à nous laisser vos messages à texte ou vocaux au numéro 82 89 89 64. Ici, préfère notre émission de ce mardi 21 février 2023, vous étiez en compagnie de Mariam Adé et de Rabia Mekano. Mais avant de se quitter, accueillons à nouveau Nafissa Adamou Sirfo pour un aperçu de la grande édition du soir. Bonjour Nafissa. Bonjour Rabi. Alors, dans la grande édition de 17h, nous parlerons d'abord de l'importance du certificat de transhumance pour les éleveurs. Ensuite, nous irons à Baleyara, dans la région de Tilaberi, où les agriculteurs cultivent une nouvelle variété de mille appelée Setki. La culture s'adapte au changement climatique. Enfin, le magazine Bien-être de ce mardi évoque les conséquences de la traite des enfants dans le département de Gaïa, région de Dosso. Rendez-vous donc à 17h. Rendez-vous pris à 17h. Merci à toute l'équipe euh, technique et rédactionnelle qui ont rendu possible la réalisation de cette émission et au professeur euh, Boubacar Bali depuis l'université de Zender qui nous a fourni la documentation sur les grandes cantatrices du courant musical Zalaï. Excellent après-midi à tous, bye bye